Nous sommes euh, lundi 11 novembre 2024, chères auditrices, chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission quotidienne Le Niger sur Kalangou. Bon début de semaine à toutes et à tous, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou où que vous soyez, nous, vous nous écoutez via nos 52 radios partenaires et en streaming sur euh, le site euh, www.studiokalangu.org. Au micro, c'est Ali Munkele Hussein alias Seno et à mes côtés, Mariam Adé. À la technique, nous avons Issa Lawali et Adama Dawaki est à l'édition. Mariam, bonjour, comment vas-tu Ça va très bien, Seno, et toi Je vais bien, Alhamdulillah. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui comme d'habitude, Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec euh, un programme bien diversifié. D'abord, nous débuterons en information avec le flash et pendant toute la durée de l'émission, nous allons savourer de la bonne musique nigérienne. Évidemment, nous aurons la rubrique justice de cette édition de la culture linguistique. Pour le reportage en région, nous irons à Difa pour parler de la gestion de stockage des récoltes. Et dans la partie entretien du jour à CNO, nous suivrons ensemble un entretien avec Ibrahim Maurice Amira, chef de division à l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et certification ANMC. Nous allons clore l'édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Sans trop tarder, chers auditeurs, euh, nous accueillons Rafika Attaher pour euh, le flash d'information. Bonjour, Rafika. Bonjour à vous. Alors pour ce matin, dans une annonce faite samedi 10 novembre à Niamey, le directeur général de la région Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement, M. Lamine Baroko, déclare que la BAD compte injecter la somme de 511 millions de dollars, soit plus de 312 milliards de francs CFA pour la réalisation de quatre opérations en 2025 suite aux recommandations et requêtes du gouvernement nigérien. La première tranche du financement est un programme d'appui budgétaire pour la promotion des services de base d'un montant d'environ 284,96 millions de dollars. La seconde manche du financement sera injectée dans le projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des villes de Zender, de Myria et des villages environnants d'environ 119,44 millions de dollars. S'agissant de de la troisième partie de l'allocation, soit environ 93,21 millions de dollars. Elle sera consacrée au programme intégré de développement de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole des jeunes au Niger. Enfin, la dernière tranche du financement sera allouée au programme de financement de la gestion des risques de catastrophes en Afrique pour près de 13,31 millions de dollars. Économie toujours au Niger, les perspectives économiques sont favorables à court terme avec une croissance projetée à 8,8% pour 2024, rapporte un communiqué du Fonds monétaire international publié samedi 9 novembre. Selon le communiqué, cette croissance sera soutenue par les exportations du pétrole, la levée des sanctions et une bonne saison agricole. Aussi, a ajouté le document les efforts continus des autorités pour simplifier le système fiscal et adopter une stratégie de gestion des recettes pétrolières sont des réformes essentielles pour créer un espace budgétaire afin de répondre aux besoins de dépenses de développement. M. David a indiqué que les autorités nigériennes et l'équipe du FMI ont conclu un accord au niveau des services sur la sixième revue du programme économique et que l'achèvement de la revue de la FEC permettra un, un décaissement d'environ 17,4 millions de dollars, soit pour couvrir les besoins de financement extérieur du pays. Malgré un contexte délicat tenant à certains facteurs tels que les conséquences humaines et matérielles des récentes inondations, détention de liquidités dans le secteur bancaire et des conditions de financement serrées, une forte reprise de l'activité économique est attendue cette année a auguré l'émissaire du FMI. Lors de la deuxième opération coup de poing menée par le Conseil régional de sécurité samedi 9 novembre 2024, les, les unités plutôt opérationnelles des forces de défense et de sécurité ont investi les zones criminogènes de la ceinture verte et du quartier aéroport de Niamey. 100 individus ont été interpellés pour vérification d'identité, certains faisant l'objet d'enquêtes approfondies. Les forces de sécurité ont saisi des armes blanches comprenant 13 machettes et 11 couteaux ainsi que des stupéfiants et des moyens motorisés dont 5 motos et un moteur de marque Dylon. Des produits pharmaceutiques et un véhicule ont également été confisqués dans une intensification des efforts pour renforcer la sécurité dans les zones à risque de la capitale. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci Refika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous ouvrons un entretien dans un instant avec Ibrahim Maurice Amira, chef de division à l'Agence nigérienne des normalisations de métrologie et certification ANMC. Oui, Mariam, mais avant, écoutons d'abord euh, le premier euh, titre de notre sélection musicale d'aujourd'hui. Il s'agit du groupe Ones qui nous revient avec le titre Lago et une façon de permettre à nos auditeurs euh, de bien s'installer dans cette émission. Lago et Zo, so boss music. And inkling bell. Now they love and they And inkling cling bell, will I go? Est-ce qu'on est prêt pour elle à nous? love and la go et zo. Est-ce que t'es prêt pour elle And then cling bell, will I go? Est-ce qu'on est prêt pour elle à nous? quand elle marche. Le modèle est top, faut tes visages. Galère de la soif, faut tes images. Tous ces caprices, moi les bricages. Des gains pour la go, on dirait glace. Deux cartages, moi je m'y attache. Gros fond, sans aucun gage. Ça sent le lot. Maxime, toi, baby. Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare. Anwar Abdoulaye. Sans le vouloir, je deviens la star. Quand bien même je sais que je suis fan de toi. Mais il me suffit de voir une autre. un clin de on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle à nous? de la valider la go. Les groupes Onessa a fait un retour fracassant avec leur euh, nouveau titre La Ezo après une période de silence motivée par des raisons personnelles. Fredo et Roxina, les deux chanteurs du groupe, ont aussi transformé cette pause en une force revenant plus inspirant que jamais. Oui, ce morceau, une véritable évolution artistique car euh, euh, ils sortent de leur zone de confort pour explorer de nouveaux horizons musicaux avec de euh, des rythmes entraînants et des paroles percutantes. Lago et hein, dévoile un style inédit confirmant leur volonté d'innover et de surprendre leur public. Ce retour euh, audacieux, audacieux autant pour moi, promet de marquer les esprits et de réaffirmer bien évidemment euh, la place de Honest sur la scène musicale. Elle est canon, skin no one. Dans sa démarche, elle est calée. Regard revolver, skin no one. J'ai envie de claquer mon salaire, mais pas chez le maire. Simiron, quand il est question de passer voir les beaux-parents. On oh, Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Lago et Zo chanté par euh, la formation Onens Kangalala. Après cette pause musicale, chers auditeurs euh, et auditrices, c'est l'heure pour nous euh, d'entamer la première partie de notre entretien du jour avec Ibrahim Moï Samira. Voilà, chef de division à l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et certification AMCC. ANCC. MC. Voilà. <laughs> Elle nous explique comment s'est fait la certification des produits et nous parle aussi de la sensibilisation qu'ils ont organisée pour les jeunes entrepreneurs. Elle a été interrogée à la 8e édition du FONAF par Habib Garba. Vous êtes au FONAF, dites-nous, c'est quoi euh, votre objet Qu'est-ce que vous êtes venu faire Parce qu'on parle des entrepreneurs et on vous retrouve ici. Bon, euh, la l'ANMC euh, participe à la 8e édition du FONAF nous sommes là euh, dans le cadre d'une vaste sensibilisation des promoteurs et promotrices de produits locaux parce que vous n'êtes pas sans savoir que les consommateurs ils deviennent euh, de plus en plus exigeants, de plus en plus regardants par rapport à la qualité des produits qu'ils consomment et le respect des normes et la certification des produits est vraiment crucial dans la protection de la santé et de la sécurité du consommateur. Donc euh, nous sommes là pour sensibiliser ces promoteurs à venir vers la certification de leurs produits et Également, euh, c'est pas leur faire comprendre que c'est pas la certification des produits. En fait, c'est pas que des avantages pour les consommateurs, c'est pas que pour protéger le consommateur, mais c'est également euh, en leur faveur. Ils ont également des profits à tirer en faisant certifier leurs produits, notamment euh, le principal avantage, c'est la compétitivité et la valorisation de eux-mêmes leurs produits. Parce que vous conviendrez avec moi qu'un consommateur qui vient pour payer un produit, il va aller euh, vers un produit qui est certifié, vers un produit qui est sain, vers un produit qui est sûr que d'aller vers un produit dont la qualité est douteuse. Donc nous sommes là euh, pour sensibiliser. Comment, certifier euh, un produit Est-ce qu'il faut être dans, un, dans une grande ville pour avoir la certification ou bien même au fond fond du Niger on peut être certifié oui, nous avons des unités que nous avons certifiées un peu partout euh, au Niger. Nous avons des unités à Maradi ici, à Mayaï même, dans les, dans les, que ce soit dans les, régions, dans les départements. À Zander, nous en avons, à Tawa, nous en avons, à Koni. Un peu partout au Niger, nos équipes se déplacent pour aller faire des audits et faire également la certification des produits. Donc, ce n'est pas que à Niamey, nous couvrons partout le Niger. Comment avoir la certification pour avoir la certification d'un produit les promoteurs et promotrices euh, doivent d'abord venir à l'agence nigérienne de normalisation et de métrologie pour prendre ah, il y a un formulaire qui est là de certification qu'il faut remplir. C'est dans ce formulaire là qu'il y a toutes les étapes à suivre. Vous pouvez nous dire quelques étapes la première étape d'abord, euh, qui, ou bien je dirais la première condition qui freine euh, même beaucoup de, petits producteurs, je les appelle entre petits producteurs, c'est d'abord eh, avoir un local de, production. Parce que ici euh, au Niger, pour entreprendre, il y a des femmes qui, entre, qui entreprennent chez elles. Donc, des fois, la production, c'est dans leur propre cuisine qu'elles font ça. Il n'y a pas de distinction entre et les matériaux qu'elles utilisent pour leur production et même les matériaux qu'elles utilisent pour faire leur propre cuisine. Donc euh, c'est d'abord euh, avoir son propre local de production. Ça, c'est la première condition qu'il faut avoir avant même de prétendre à la certification et également respecter un certain nombre d'hygiène déjà dans la production. Donc quand vous respectez ces choses-là, si vous pouvez déjà venir euh, pour prendre nos formulaires et puis aspirer à la certification. Il y a vraiment pas mal de, processus, mais c'est des processus simples qui ne sont pas du tout compliqués. La certification, ce n'est rien de magique, ce n'est rien de compliqué. C'est le respect des normes dans la production, dans la transformation et même dans la commercialisation. C'est voilà, chers auditeurs, avant de continuer, nous allons souffler encore en musique. On écoute à Bambino qui nous chante Amidinine qui veut dire ami. figure emblématique de la musique sahélienne nigérienne incarne l'essence de blues à Touareg. En 2009, avec trois amis musiciens, il lance le groupe et sort un premier album intitulé Music from Nigeria qui révèle au monde les sonorités envoûtantes du désert. Sa rencontre décisive avec le réalisateur américain Ron Wyman la même année marque un tournant dans sa carrière. oui, tout à fait, Mariam Wyman, séduit par euh, le talent de l'artiste Bambino, décide de l'inclure dans un documentaire sur les Touaregs. Voilà, propulsant ainsi euh, Bambino sur la scène internationale. Depuis lors, il ne cesse euh, de marier tradition et modernité, devenant un véritable ambassadeur de la culture touareg et nigérienne. Voilà, c'était là le titre Midinine de l'artiste Bambino, poursuivant avec l'entretien accordé par Ibrahim Maurice Samira, chef de division normalisation à l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et certification ANMC. Dans cette deuxième partie, Ibrahim Maurice Samira, chef de division, nous éclaircit plus sur la différence entre le produit certifié et non certifiés. Alors, euh, vous avez certes expliqué l'importance euh, d'avoir la certification, mais c'est quoi la différence entre un produit certifié et un produit non certifié La différence entre un produit qui est certifié et un produit qui est non certifié, elle est toute simple. C'est la qualité, c'est le respect. Un produit qui est certifié, et c'est un produit qui a été soumis à, des, tests rigoureux. C'est un produit qui a été fabriqué dans des conditions qui sont contrôlées, dans de bonnes conditions. Donc c'est un produit qui est sûr, c'est un produit qui est sain, la qualité n'est pas douteuse. Quand toi, en tant que consommateur, tu payes ce produit, tu as la garantie que ce produit n'est pas susceptible de présenter un quelconque danger pour ta santé. Donc un produit qui n'est pas certifié, par contre, c'est un produit qui a une qualité douteuse tu ne sais pas dans quelles conditions le produit a été vérifié. Il peut bien être, il peut être bien fabriqué dans des, dans des bonnes conditions, mais ça, tu ne le sais pas. Donc, c'est un produit qui, qui a une qualité douteuse. Donc, euh, c'est ça la différence. Hormis des rencontres, des retrouvailles euh, comme FONAF, comment faites-vous pour euh, passer les sensibilisations pour atteindre, pour aller vers l'œil producteur afin qu'ils puissent comprendre vraiment euh, de quoi il s'agit quand on parle de certification. Bon, nous avons euh, plusieurs canaux de communication dans ce sens pour atteindre une grande cible ou, bien un public vraiment large. Nous, nous communiquons à la, à la RTN, la télé nationale. Nous, faisons, nous avons des spots de sensibilisation qui passent fréquemment et nous faisons des sensibilisations également à la radio. Nous avons. Euh, une page, même sur le net, nous avons une page sur Facebook, sur Twitter, nous en avons, sur Instagram, nous en avons. Et nous avons également un site web. Je crois que c'est pour couvrir un, large public. Pour couvrir un large public, euh, une question que peut-être euh, <laughs> vous, vous n'allez pas comprendre. Est-ce à dire un produit certifié est susceptible d'avoir plus de rentabilité qu'un produit non certifié oui, bien sûr, c'est ce que j'expliquais. Des bénéfices quoi pour euh, les producteurs. Voilà, quand on prend des producteurs, voilà, celui-là il a ce produit certifié, l'autre n'a pas le produit certifié, et qui peut générer, engranger plus de bénéfices que l'autre c'est certainement la personne qui a le produit certifié. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand moi, en tant que consommateur, ou bien vous, en tant que consommateur, vous venez, vous allez plus aller vers un produit donc, qui est sûr, qui est sain, que d'aller vers un produit qui, qui, qui, est de qualité douteuse. Donc, vous allez préférer acheter ce produit-là que d'aller acheter un produit dont vous n'aviez pas une certaine euh, sûreté ou bien une certaine confiance et une certaine fiabilité sur la qualité alors le produit certifié, une fois certifié, ça reste certifié à vie ou bien comment ça se passe Non, la certification, elle se fait sur une durée bien déterminée. On peut faire la certification sur six mois, sur un an ou bien au-delà. Donc quand le délai qui a été euh, donné pour la pour l'utilisation parce que en fait quand on donne et quand on certifie un produit on donne également, euh, on appelle ça, la permission d'utiliser le logo de la marque nigérienne de conformité. Donc c'est ce logo-là que les promoteurs et promotrices mettent sur l'emballage de leurs produits. Maintenant, lorsque la certification arrive à terme, vous n'avez le promoteur ou le la promotrice n'a plus le droit d'utiliser ce logo-là sur, sur l'emballage. Sinon Sinon, il y a des sanctions. Oui, il y a des sanctions. Nous faisons des suivis. C'est pas comme si quand on certifie un produit, on, laisse le promoteur ou bien la promotrice utiliser le logo et même si ça arrive à terme, qu'ils continuent à utiliser le logo. Non, nous faisons des suivis après. Donc même si au cas où euh, le procédé qui a été certifié, le, producteur ou bien la productrice ne respecte plus ces normes-là, on peut bien retirer l'usage de, cette marque-là. Merci beaucoup, euh, Madame. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Mariam, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire justice. Tout à fait, c'est nous. Et aujourd'hui, la rubrique à justice nous donne des éclaircissements sur les termes héritage, succession et testament. En matière civile, la loi parle d'héritage, de succession et de testament. Ces termes fréquemment utilisés pourraient prêter à confusion particulièrement pour les profanes. Pour euh, apporter plus de précision sur leur définition, Anissé Karim s'est entretenu avec euh, Moussa Bachir, juriste près du tribunal de grandes instances d'Agadez. On écoute Qu'est-ce qu'un héritage Un héritage est un patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble d'actifs et du passif. En parlant d'actifs, c'est les biens, les passif, c'est les dettes laissées euh, par une personne décédée et transmises par succession. Quels sont les types d'héritage Il existe euh, deux types d'héritage. Il y a l'héritage culturel et l'héritage des biens. Et lorsqu'on parle d'héritage culturel, euh, il s'agit des connaissances en ce qui concerne le patrimoine matériel et immatériel d'un territoire Hein? Par exemple, une religion, une filiation, des mœurs. Et lorsqu'on parle d'héritage des biens, il s'agit euh, des biens, ensemble de patrimoine euh, reconnu aux ayants droit. Quelle est la différence entre héritage et succession Lorsqu'on parle euh, de succession, cela signifie qu'il y a eu un décès. Et en effet, la succession est la manière dont va se faire la transmission du patrimoine laissé par la personne décédée à une ou plusieurs personnes vivante, aussi appelée héritier ou héritière. Et s'agissant de l'héritage, l'héritage représente le patrimoine que le défunt a laissé pour son ou ses héritiers. Qui sont les héritiers logos d'une personne décédée sans testament Vous savez, dans les cas où le défunt n'a pas rédigé du testament, l'ordre euh, des héritiers est déterminé selon la loi dans l'ordre suivant, on parle d'évolution légale. Nous avons des degrés. En premier degré, ce sont les enfants, les épouses du défunt mari, son père et sa mère. Maintenant, au deuxième degré, nous avons ses frères germains qui sont issus du même père et même mère, et des frères consanguins issus du même père et des frères utérins issus du même mère. Il y a le troisième degré. Là, c'est les ascendants autres que les parents. Et au quatrième degré, nous avons les collatéraux, à savoir les oncles, les tantes, les cousins cousine du défunt. Quel lien y a-t-il entre le testament et la succession Ce qu'il faut retenir, c'est que le testament est un écrit par lequel une personne, le testateur, exprime ses dernières volontés. Par exemple, vous avez la transmission après son décès de ses biens, appelé legs, à un ou plusieurs bénéficiaires, appelés légataires. À l'ouverture de la succession du défunt, il y a cette transmission de ses biens, écrit déjà dans le testament. Donc euh, voilà la liaison. C'était là la rubrique hebdomadaire Justice, chers auditeurs. Nous allons encore souffler en musique et cette fois-ci, on vous propose les titres Je suis à chanter par le groupe Crazy Girls. Mes cher auditeur, je suis jalouse d'elle. C'est un titre chanté par le groupe Crazy Girls. À la base, le groupe était un trio composé de Sammy Baby, Indie Baby et Irene. Mais quelques années plus tard, le groupe est devenu un duo avec euh, Sammy et Indie. Elles ont fait leur bout de chemin ensemble. Aujourd'hui, Sammy est présente dans le mode de la culture nigérienne, mais aucune d'elles ne chante quand je me plains, monsieur me répond C'est ma best friend, quelle best friend Ouvre tes yeux, cette fille est dingue de toi Elle rêve d'être à ma place, nous met dans une impasse Qui nous dépasse, pour que ta carte, Elle n'ose pas te le dire, car je suis pas de qu'il faut avoir pour rival Elle n'ose pas te le dire, de peur que tu la vires En attendant, ma je suis peur qu'elle t'attire Je suis jaloux, je suis jalouse, je suis jalouse d'elle Je suis jalouse d'elle si tu restes avec Je saurais te donner tout l'amour du monde. T'as pas besoin d'elle, non, t'as pas besoin d'elle. Non, non, je veux pas te partager avec elle. Je risque de péter les plombs si tu restes avec elle. Je saurais te donner tout l'amour du monde. Non, t'as pas besoin d'elle, non, t'as pas besoin d'elle. Je suis jalouse Je ne comprends pas pourquoi tu Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, la direction d'IFA pour euh, parler de la gestion du stockage de récoltes. Oui, en effet, avec euh, l'augmentation des aléas climatiques et les fluctuations constantes du marché, euh, la mise en place de mécanismes efficaces de stockage et de conservation des céréales est désormais indispensable pour sécuriser les récoltes de 2024 à DIFA. Ces mesures visent à éviter les gaspillages de production agricole a stabilisé l'approvisionnement alimentaire dans une région où la population a récemment connu des difficultés suite aux problèmes d'insécurité, suivant le reportage de Guidi Abdraman sur le sujet. na shiyar. Shekarar ta samu yanayi mai kyau wanda ke ba da damar samar da albarkatu masu yawa. Amma ba a rasa samun kalubale ta fuskar sarrafa hannun jari. cimakan dai ya fara sabkowa kaɗan a haka diba ga watanni na baya shi kuma dalilin da aka fara yankan hasi wannan shi ne bancin haka kuma duk wannan ma dai mun samu kwari kwari masu bata maka tunda har yanzu akwai su wake su ridi suna nan to bisan shi ne aka samu kamar an ce akwai declaration na eh, fara da wasu kwari masu bata iri da kuma har da wani eh, tsusa wanda muke cewa shi ne legionnaire wannan shi ma kamar to haka jimilla shi ma nan mun samu kamar eka 637 inda abin ya taba kuma inda aka samu feshi ya kai eka ɗari biyar da kwamiya tara da to bayan cin wannan an yi ambaliya filayen gonakai na shinkafa na hasi da yawa ruwa ya canye su a nasa bangare kuwa jalo malam ari shugaban kungiyar haɗin gwiwa na manoma ta difa ya ji daɗin sakamakon wannan kakar manoma sun samu amfanin gona mai kyau sakamakon ƙoƙarin haɗin gwiwa na mambobin ƙungiyar da hukumomi yana mai jaddada buƙatar kiyaye amfanin gona da kyau domin tsawaita ribar da suke samu. Noma gaskiya a bana alhamdulillah ba laifi. A yanzu dai noma sai godiya. Sun dai alarance ma'anan an san da cewa noman da za a yi na farko da noma hatsi ne. Dawa yana biya mishi sai kuma noman kayan abin da za a sai da a biya bukatu su ridi su gujiya da wake wannan su ne aka nomawa a nan jihar mu ta difa a rayuwa dai kalubale ba ta karewa Lai alhamdulillah kalubale surtun wajen talakawa manoma yanayin da muka samu bara wancan da ya wuce ba a samu amfani ba shesa talaka suna da matsala su samu su zauna su yi aiki a gonakinsu kuma talaka akalla an bai noma sati biyu a gonin shi ba duk da ya samu ba zai wadace shi ba kiran da zan ma manoma a lokacin da muke ciki na yanzu alhamdulillah noman yayi albarka kasu je su zauna su ce su sun ga amfanin nan ya ishe su gona aikin gona sun tattara suna karewa su gangara kwari su yi aikin su shi kuwa shugaban kasuwar hatsi ta difa a bacca Zauna ya jaddada faduwar farashin kayayyakin idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata. Wannan yanayin zai iya inganta hanyoyin samun abinci na jama'a amma kuma suna buƙatar kayan aikin ajiya don sarrafawa. da kuma gujewa rage darajar amfanin gonaki da yawa. Yau akwai haci da wake yanzu yawanci ne dai kuma abu da dawa bai fito ba kamar wake wannan ana sa magani akwai magani an ka sa wannan ka adana shi sai bayan wata shida tukuna a fudda shi in bayan wata shida ba baya yiwa wannan abun abinci yau farashin wannan wake dubu sittin da bakwai eh, haci kuma dubu talatin da biyar ka sani yawanci duk bawa manyan tala ne kuma kowane sati sabkai daga ƙarshe masu fafutukar kare haƙƙin jama'a sun yi kira da a kiyaye girbin bana a hankali suna ba da shawarar cewa masana'anta su bi hanyoyin kiyayewa da suka dace don iyakance asara da kuma sarrafa abinci ta yadda za a tabbatar da isasshen abinci na dogon lokaci ga al'umma. Usman Manga ƙungiyar farar fula. Albarkacin gona an same shi al'umma ta yi noma wadda ba saba noma ba ma sun yi noma. Eh, talakoki da suka yi noma an samu albarkacin gona. To abinda za mu yi kira mu a matsayin mu na ƙungiyar farar fula lalle kaga an sha wuya kakin albarkacin gona wannan hito. kenan eh, kira da za mu yi masu talakawa su yi tanadi a tanada shi in gwamnati ya zo ya ce zai siya a saida abin da ake saida kuma abin da ya yi tsora a ajiye shi a kula da shi don ka a koma kuma gida na jiya shirye-shiryen inganta adano da adana ayyukan noma na shekarar 2024 suna da mahimmanci ga mazauna garin Difa. Ta hanyar waɗannan yunkurin manoma suna fatan ba wai kawai za su ƙara samun riba daga abin da suka noma ba ne, har ma da ƙarfafa juriyar yankin a cikin matsalolin yanayi da tattalin arziki. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, il est 11h passé de 36 minutes. Euh, si vous venez de prendre euh, l'émission en cours, pas d'inquiétude, vous pouvez la réécouter sur notre site web le www.studiocalangou.org. Euh, kalanguorg à présent, place euh, au sport avec Salamot Kadri, notre charmante chroniqueuse sportive du jour. Bonjour Salamot. Bonjour Sano, comment tu vas Bonjour Mariam. Bonjour Salamot. Alors, Salamou Lemena est arrivé à Lomé hier pour participer aux 5 et sixième journée journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Et oui, Mariam, ils affronteront le Soudan le 14 novembre à Lomé pour la cinquième journée. Ensuite, direction Accra où ils disputeront la sixième journée contre les Black Stars le 18 novembre 2024. Alors, euh, tout. la première journée de la Super League nationale de football euh, hum, base son plein, bas son plein, autant pour moi, dans les différents stades du pays. Et oui, c'est le lancement de la Super Ligue du Niger a opposé deux clubs historiques du football nigérien, le Sahel Sportif Club et le Liberté Football Club. Les Bleus et Blancs de Liberté ont remporté la victoire avec un score de 2 buts à 1. À l'intérieur du pays, notons la victoire de la JST de Tawa contre l'AS Police de Niamey 2 buts à 0. Match nul entre Espoir FC de Zander et USGN, USGNN, voilà, autant pour moi, 2 buts partout. Match nul également entre Irana FC et la Nigelec 0 à 0. le L'OFC a perdu son match contre Jean Gorgeau de Maradi, 0 but à 1. Victoire de l'AS Fan face au RCB de Bukoti, 1 but à 0. Enfin, l'AS Douane a battu Wombay, 2 buts à 1. Alors, Salamatou, quel est le programme d'aujourd'hui oui, Mariam, aujourd'hui, nous avons une rencontre entre l'Université de Niamey et ASGNN. Le match se jouera au stade municipal de Niamey selon Cheibou walidi Kochoroy, l'entraîneur de l'UAM. Tout est prêt pour affronter le double détenteur de la Coupe de l'année passée. Ce soir, on l'écoute. Bon, ça va, bon train, je veux dire. Il y a tout le temps des soucis par-ci, par-là. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais nous sommes là, on est prêt, on ne va pas se cacher derrière quoi que ce soit. On a eu un peu de le temps nécessaire, je vais dire, pour nous préparer. On pense qu'on est prêt. Alors, euh, nous sommes des promus. Comme vous l'avez souligné, c'est la meilleure équipe du Niger qu'on va affronter demain. Mais nous prenons toujours les choses de manière positive. Nous allons aborder le match avec beaucoup d'humilité, beaucoup de calme, mais surtout avec beaucoup de sérénité. On sait que si on reste humble sur le terrain et qu'on travaille bien, on n'a pas de soucis à se faire. On respecte l'adversaire, mais on va aller jouer le match en espérant revenir à la maison avec quelques points. Voilà, chers auditeurs, voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci. Merci, Salamatou, pour toutes ces informations sportives à nous. C'est l'heure de découvrir notre étoile du jour. Oui, originaire de la région de Tawa, Hadjia Hmm, son nom là est difficile à, hein, <laughs> prononcer. Hein. <laughs> Hadia Zalifa euh, Beidou a comme activité génératrice de revenus la transformation des produits agricoles, notamment l'arachide, un métier qu'elle exerce depuis plusieurs années dans la ville de Koni. Aussi, elle forme certaines filles de sa localité dans la production de l'huile de la pâte d'arachide. Hajia Zelifa Bedou nous explique comment ils arrivent à joindre le debout avec son activité. écoutant son portrait avec Haruna Ibrahim. An haife ta a shekara ta 1967 ga watan Satumba a Tawalele birnin Adar Hajiya Zalifa Baidu tana da 'ya'ya bakwai ta fara wannan sana'ar ta sarrafe-sarrafe tun shekara ta 2007. Hajiya Zalifa Baidu ta yi fice a cikin wannan sana'ar ta sarrafe-sarrafe inda ta zamo sananna a cikin garin birnin Kwanne da kewayen Kwanne. Bayan haka uwar gida Hajiya Zalifa Baidu tana horar da mata da 'yan mata akan wannan sana'ar ta sarrafe-sarrafe. Muna sarrafa diga-dige, kuli-kuli muna hidda mai da gari da yaji duka muna yi da kuskus ta hatsi da ta dambu da ruwa duka dai muna yi wallahi mun ka fara sarafe sarafen nan mun ci gaba da kwarai saboda wasu sun iya wasu basu iya ba amma yanzu alhamdulillah duk kowa ya iya wani sai shi koya mu wani ma iya saka makwabci ya gani sai shi saka kamar ya doka na sai shi mun samu kai ci gaba tunda wani lokaci sana'o'in nan da muka yi da wanga lokaci da ya zaka muna samun dala biyu dala uku muna taimaka ma yan uwa bakin gwargwado kai mutum bai rasa da yayi tunda duk wanda an kai an kai samu yan sana'a tan dala biyu dala uku ta shigo ka ba ka taya ka roƙa ga wani duk abin da ka sayi ko kaza ko akuya ko dabba duka sai kai suwa. duka cikin kaddurorin nan duka sana'a ta duka akwai riba kuma ciki akwai kuma ci gaba uwar gida Zalifa Baidu ta yi bayani akan matsalar tsadar kayayyakin na sarrafe-sarrafe wallahi wanga lokaci da ya zaka abu ya yi wuya ya yi tsada haka nan dai aka rumce ido a ta a sayo haka nan kuma a zaka ai haka nan duwar abin ya kasance in an samu hita to ita dai sana'a ko baka ci riba karama kana juyi kuɗi saboda in ka rike da kuɗi kashe suka kai yanzu muna yi amma ba kware ba kamar da tunda harkokin komi na na ya yi tsada duk abin da ka sani in ka zo yanzu abin da an dubu biyu yanzu dubu hudu shiki ko dubu uku da ɗari biyar kenan babu mahita abokan kasuwancin mu saura ma ranna akwai wadda wadda ta kere ne wadda a bashi cewa ta ita wallahi yanzu sun tsaida mata kullum sai ce su ba su iyawa abu sun so shi da tsara in za a sai su da tsara sai a ta musu haka wariya kuma ba a sa a biya shi sun bari yanzu wani magidaci mai suna isiya wanda kiliyan ɗinta ne na fiye da shekaru tara ya yaba da jajircewarta da kuma kyakkyawar ma'amalata da al'umma daga garin holakam nake hitowa ina zonki zuwa nan ga kwanni eh, sayan kuli-kuli da gujiya da sauransu da tanka duk wannan tsari ne nake yi har man gujiya hajiya zali ai ina ji in ma ban bace ba mun shekara tara na alaka da ita saboda wallahi mace ta wato ta iya da ainihin duka jama'a kaga in ka zo kana iske duka irin mutane akwai 'yan yara akwai 'yan mata akwai manyan mata wa'ancan masu gidaje ne wato client ta na na yau da kullum kuma tana sara mini a cikin sauki uwar gida hajiya zalifa baidu ta zayyana irin ƙalubalen da take fuskanta a cikin wannan sana'ar ta sarrafe sarrafe kalubalen da muka samu gudana yanzu bakin damana ta kama babu hidda mai babu kuli kuli ga wanga lokaci arama mutum shi yaji da garin masara an san su yaji ya tsarar sosai amma wani lokaci da ka shiga wanga hannu na Nigeria har ka koma hannu wajen maradi kotawa yaji ya arha uwar gida Zalifa Baidu ta zamo abun kwaikwayo da kuma koyi ga mata na kewayen garin birnin Kwani Voilà, chers auditeurs, vous venez de découvrir notre étoile du jour, Hajia Zalifa Beidou. Bouclons notre playlist musicale d'aujourd'hui avec ce titre néo-nigerno produit par le groupe de rap MGM Crew en featuring avec euh, l'artiste Barakina, un titre qui fait un carton actuellement dans la capitale nigérienne, Niamey. Néo-nigerno, néo, nigerno nigerno non, Niger, non. Non, non, Niger, non. On est fiers de notre pays. Vas-y, viens, on t'accueillera bien, mon ami. No trouble, just trust in me. Everything gonna be alright, you know, mommy. Come on, bro, come test the good life. Feel no, here we are hospital. ƙasa ta ba arziki waye ce ma talaka muke waye ce ma ƙasa ta a baya take waye ce ma ke yaƙi muke zubirni kaga kawai shagali muke amma piano da hausa muke daɗin kilishi daban da na a cake. liking it. na mufa gane nan bari na mune sama daga tuta oh yeah Chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Néo au Niger, un titre qui cartonne actuellement au Niger comme pas possible. Tout à fait, Mariam. Alors, chers auditeurs, poursuivons avec euh, le loti et je vous propose euh, les sages conseils de l'équipe femmes du studio Kalangu qui aujourd'hui attire l'attention des femmes sur un certain nombre de comportements au sein de leur foyer. Alors, notamment celles qui ne restent pas toujours chez elles préférant passer leur temps chez les autres. C'est le sujet du loti de ce lundi. Fanta Shamsou et Samira Rouafi. On les écoute. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Non mais j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grande sœur Rekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça Oui, oui, c'est moi. Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la troisième fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi, tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle Comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima, range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien Non, non, grande soeur. Hum. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité, vraiment c'est trop. Non, non, grande soeur, je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher, moi je reste au salon. Hmm, subhanallah, Halima, quoi Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi Genre, même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte. Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là. Cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisances sur autrui. Et tout cela, c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande sœur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir. Donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah La fille s'y va me tuer. Gère, tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une coépouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Je veux dire, Djam, grande soeur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement, Inch'Allah. Toi aussi tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement, moi j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande soeur. Ah bah, moi tu vas passer ton temps tout le temps, tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. Yo, bon dunia d'ailleurs, on va À présent, chers auditeurs, place à la culture linguistique en français et en anglais. Le mot de la semaine est qualité. Ça sera avec Samira Omoro. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture linguistique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show Culture linguistique. Le 11 novembre est nommé la journée mondiale de la qualité. La qualité est une manière d'être non mesurable. Qualité en anglais veut dire quality. Quality is the degree of excellence of something. Let's take some examples. The house have many fine qualities. That means la maison a de nombreuses qualités. Sa musique a une qualité primitive, qui signifie que his music has a primitive quality. They offer quality at a reasonable price. That means ils offrent de la qualité à un prix raisonnable. L'objectif de cette date est de valoriser l'importance de la qualité dans la production et dans la compétitivité des organisations. The objective of these days is to promote the importance of quality in production and the competitiveness of organization. Ladies and gentlemen, that's all for today. Join us next time. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci euh, Samira pour euh, cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication. En anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulé, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 64. Et c'est l'heure euh, pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. C'est le président du village artisanal d'Agadez. Mon nom c'est Tanarissa. Studio Kalangu fait partie des, programmes qui m'échappent pas. J'essaie de les écouter parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que ça touche le cœur de nos problèmes. Tellement que je vois Studio Colongo s'intéresse au domaine de l'artisanat. J'ai vu beaucoup d'artistes qui ont bénéficié des émissions de studio Colongo et c'est pourquoi je suis ce studio-là. Je le suis, je le suis sur les réseaux sociaux, sincèrement. C'est un programme qui touche nos problèmes. C'est un programme qui touche nos problèmes et en même temps un programme qui peut être une solution pour certains de nos problèmes. Il faut que vous continuiez de faire, de persévérer dans les dans le même sens. Aussi avoir des antennes dans chaque, euh, dans chaque localité pour que les artistes, les artisans sachent que vous êtes là. Donc euh, maintenant, c'est l'occasion de, la lutte là, que vous êtes là c'est une occasion pour nous de profiter aussi. Mais si déjà euh, le studio est là, donc il y aura beaucoup plus de sensibilisation. C'est Tanilma Kombagi Ramtele. Je suis la vice-présidente du conseil communal de jeunes d'Agadez. Les débats, vraiment, ce sont des choses qui, quand j'écoute ça, ça a de l'impact dans notre communauté parce que c'est dans ce genre de fadaï qu'on invoque vraiment les différentes problématiques qui sont là en train de déranger notre communauté. Et c'est de là vraiment qu'on trouve des solutions, qu'on donne vraiment des propositions qui vont vraiment alléger ou bien arranger certaines choses. Bon, j'écoute en germain parce que je comprends le germain, j'écoute en français, je comprends le français, donc euh, les restes en haussa aussi. S'il y aura des améliorations, c'est vraiment de refaire aussi pour amener d'autres thèmes, la délinquance juvénile pour la consommation des stupéfiants, ce genre de thèmes vraiment qui dérangent la jeunesse d'Agadez, qui, qui, est un frein vraiment pour le développement de la jeunesse d'Agadez, pour les activités aussi génératrices de revenus pour les jeunes femmes tout ça là pour l'entrepreneuriat des jeunes aussi. Moi, c'est Abdelhakim Ousmane. J'ai écouté le programme de Studio Kalangu à travers euh, la radio Sarah FM. Et le programme de la soirée pour euh, l'information, les armes en Hausa, en français. Euh, ici au niveau d'Agadez, nous avons les correspondants du sud Kalangou qui sont là. Vraiment, ils touchent un peu ce qui se passe dans la région d'Agadez. C'est bien. Et tout ce que je pouvais dire, c'est de continuer toujours dans ce sens-là. et pour pouvoir euh, amener la voix de jeunes d'Agadez euh, au niveau de Sido Kalangu. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu studio Kalangu muna baku dubun gaisuwa da wata alheri muna jin daɗin shirye-shiryen gana ku. Liya mai shago na bakin likita dogon duci muna sauraron shi rediyo da lallon lokaci zuwa lokaci muna jin daɗin shi kai gaskiya shina muna Allah ubangiji shi tabbatar da alheri. Muna gaida Mustapha mai shago bakin likita ina gaida Nasiru mai shago bakin bakin likita ina gaida bube mai tabki bakin likita ina gaida aliyu bawa dalal ina gaida nasiru bakin likita ina gaida mala abakar bakin likita na gode allah ya saka da haira da suna na usman abubakar wanda aka sani da suna chapros shaf de garage na tasha buza bakin rampoy lalle muna sauraren studio kalangu sosai kuma muna karuwa da labarun da suke bada sirtu da suna yi da labarunmu na gida muna jin daɗin shirye-shiryen da suke yi ɗari bisa ɗari bale shirin da suke fara na sha ɗai zuwa sha biyu kowace attanin zuwa juma'a. muna jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu muna tare da su sau da ƙawa insha Allah ina gaida Buhari kabu-kabu da Muttari babban direba da Alhaji Ambuka ɗan bado da Ibrahima yaro bari ganin katara da Yakubu na Adamu da Adamu. Assalamu alaikum. Studio Kalangu labarai matakir goma rai dai sai ban wallahi sai très cool quoi il go yi apprécier matiki go ngay labara ino quoi c'est bon il go yi barkanda labara ki go boreno kan go borena fa quoi Salam alaikum dama gode msha radio tankalen gude misadar gana soda tagaraza na artane kullu garaza na shagalan tanum mer tagaraza na ulle ulle misadar gana tagada ikalen kullu sidar gana nas Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ouseni alias Aseno, 50% et moi-même Mariam Ade. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris demain pour euh, avec un nouveau numéro. Tout à fait, Mariam. À la technique, c'était Issa Lawali et à l'édition, c'était tout simplement la grande dame Adama Dawaki. Excellente journée à vous et n'oubliez pas de rester euh, connecté à partir de 17h pour suivre nos journaux en 5 langues. Sur ce, ciao ciao.